Il est 18h, l'heure du coucher du soleil. C'est en ce moment que Nana, la trentaine révolue, entourée de ses enfants, pile le mille qu'elle a pu se procurer à Mandian. Chassée par la famine, Nana et son mari ont quitté leur village de Guidambogori, situé à quelques kilomètres de la commune de Mayaï. Installée dans une petite chambre qui leur a été prêtée par une bonne volonté, Nana témoigne de sa situation. Hmm. Hein, Cette année, nous n'avons pas produit même un seul épi de cela fait juste un mois que nous avons quitté notre village. Mon mari, mes quatre enfants et moi. Je travaille dans les maisons et si je ne gagne pas du travail, je m'en dis souvent auprès de nos sœurs femmes car celui qui cherche à manger n'a pas le droit de rester à ne rien faire. C'est cette année que cela nous arrive vraiment. Ah, pour le préfet de Mayaï, la situation de Nana est un exemple parmi tant d'autres des difficultés qu'il a à gérer. Mais Moussa Dantani précise que le phénomène est vraiment nouveau ici. Ce n'est pas gay. Vous allez voir des familles en déplacement, une femme avec deux à trois enfants, tous devenus mendiants, tout simplement à la situation d'insécurité alimentaire. C'est un comportement nouveau, mais on est obligé de l'accepter comme ça. Quand même, on ne va pas rester les bras croisés, on est là en train de chercher des solutions. Nous sommes là en train de nous adresser aux partenaires pour qu'ils nous viennent en aide. La descente massive vers la grande ville de ces milliers de personnes n'est pas sans conséquences. Au micro du studio Kalangou, le directeur départemental de l'agriculture, Samini Mounsa, explique. Des comportements inévitables qu'on a observés, tels que le petit vol, il y a au niveau des écoles même, il y a eu beaucoup d'abandon au niveau des écoles. Un collégien qui est issu d'un ménage déficitaire et il vient au niveau d'un ménage haute déficitaire. Ça, c'est des problèmes. Donc, c'est l'une des raisons qui fait que vraiment, il y a beaucoup d'abandon au niveau de collège. Et au niveau de primaire, c'est la famille même qui se déplace avec les enfants. Une des mesures qui consisterait à réduire ce flux humain, c'est le Food for Work ou le Cash for Work, organisation anglo-saxonne qui œuvre dans le cadre de la récupération des terres dégradées. À travers ce programme, l'organisation espère fixer les populations dans leur terroir. Mohamed Maman, depuis Maradi, pour le studio Kalangou.